La période électorale est souvent une période que certaines personnes utilisent pour véhiculer de fausses informations à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un article attribué à un journal béninois intitulé Le Béninois libéré, un quotidien d'information générale basé au Bénin. Le 12 février 2021, un article attribué à ce quotidien a commencé à être relayé sur la toile nigérienne. Intitulé Ham Amadou est-il lui aussi nigérien ou nigérien d'origine, un article visant l'opposant nigérien Ham Amadou. Après vérification, le journal Le Béninois Libéré existe réellement comme l'atteste l'autorisation délivrée par l'autorité de tutelle en date du 12 janvier 2006. Ce quotidien est également présent sur le réseau social Facebook et dispose d'un site web disponible à l'adresse www.lebéninoislibéré.info. Cependant, aucune trace de cet article ne figure sur aucune des plateformes de ce quotidien, ce qui pose des doutes sur l'authenticité de cet article. Pour écarter toute suspicion, nous avons contacté le quotidien Le Béninois Libéré qui nous a confirmé qu'il n'était pas l'auteur de cet article. D'ailleurs, le quotidien a même publié un communiqué. Nous avons aussi contacté Ignace Sossou, un journaliste d'investigation béninois qui apparaît comme l'auteur de cet article. Ce dernier a confié au studio Kalangu qu'il n'était pas l'auteur de cet article et que je cite Ceux qui ont usurpé mon identité pour signer cet article répondront de leurs actes devant la justice. Bien avant ces vérifications, les éléments suivants ont attiré notre attention. D'abord, la police d'écriture utilisée dans ce faux article n'est pas celle utilisée par le quotidien Le Béninois libéré. Ensuite, en zoomant sur l'article, des traces de retouches apparaissent sur certains textes, notamment sur la phrase Berlin muscle l'armée nigérienne avec des véhicules blindés IAG, qui semble avoir clairement fait l'objet d'un remplissage avec la couleur rouge. Puis, l'image de Hamamadou utilisée pour illustrer l'article n'appartient pas au quotidien Le Béninois libéré, c'est une photo de l'hebdomadaire Jeune Afrique prise à Paris le 15 septembre 2015 par le photographe Vincent Fournier. Aucun crédit ne mentionne l'origine et l'auteur de cette photo dans l'article. Enfin, le 11 février 2021, 11 articles web ont été publiés sur la page Facebook du Béninois libéré, mais aucun ne porte le numéro 1425-ES. Notons qu'à la date du 12 janvier 2021, le Béninois libéré était à son quotidien numéro 2345. Un écart de près de 1000 numéros en seulement 24 heures qui met la puce à l'oreille. Tous ces éléments réunis permettent de confirmer que l'article numéro 1425-ES e du 11 février 2021 attribué au Béninois libéré n'est pas authentique.